nit ku nekk nag da am ay engagement yoo xamee ni daf la war sa digganteeg sa askan bu la Sénégalais yi yabalee yabal ñu la pour nga inventer société bu bokkul ak seen ngëm-ngëm bu bokkul ak seen pas-pas société bi ñu bëgg mooy société boo xamante dina aar seen ngëm-ngëm saxal seen diine sàmm seen njaboot may doom yi ñu jàng màgg ci anam yoo xamante dina méngoo li nga xamee ni mooy suñu héritage te loolu jàpp Sénégal rek du sukule addina yëpp addina yëpp nit ñëpp dañ cee taxaw tey jii plus de 72 pays ci adina taxaw nañu taxawaay bu Sénégal kon bu ñu dans Sénégal nangam sangam xanaa bu ñu demee ba Ouganda jël responsabilité pour mel Kenya jël responsabilité pour mel Tanzanie jël responsabilité pour mel Ghana jël responsabilité pour mel Sénégal ak liñ fi fiy ci ngëm-ngëm ak pas-pas ak bëgg jamm ak may suñuy doom mag ci anam yo xam ne méngóog na ak li ñu gëm je pense que ni war ñoo dess gannaaw suñu responsabilité la et interpellation bi moy dañoo wara a xam ni waaw ñun suñu allégeance ci kan la jëm suñu allégeance dafa war a jëm ci Sénégal dafa war a jëm ci suñu ngëm-ngëm dafa war a jëm ci doomu Sénégal yi wala suñu allégeance dafa war a jëm ci jàmbur ba nekk ci réewam di def la ka neex ci réewam wala suñu allégeance dafa war a jëm ci ñoo xamee ni seen pas-pas bu sottee ngëm-ngëm dootul am ci réew mi c'est des questions de foi c'est des questions de responsabilité c'est des questions de de liberté il n'est pas question d'inventer une société pour des Français encore moins pour des Américains il s'agit pour des Sénégalais d'inventer la société qui est la plus conforme à leurs convictions religieuses, à la morale sociale de tous les jours, cette morale qui a été à la base de la construction du commun vouloir vivre ensemble, dans lequel les 100% de Sénégalais s'identifient. Un responsable et un député ne peut se justifier par rapport à l'étranger. Il doit sa place et ses responsabilités en priorité par rapport à ses mandants. Et non c'est des Sénégalais. non mandants, c'est 95% de musulmans, c'est 5% de plus de croyants, c'est des chrétiens. Lorsque le pape est vilipendé pour ses positions religieuses qui sont conformes aux nôtres, lorsque les religions monothéistes de partout dans le monde revendiquent leur place, parce que notre liberté, c'est notre droit de vivre conformément à notre conviction sur la terre qui est la nôtre. Nous n'inventons rien pour les autres. Nous n'avons aucune ambition pour les autres. Mais quand même, de grâce, qu'on nous laisse la liberté d'inventer la société que nous voulons pour nos enfants et pour les sociétés sénégalaises, parce que c'est ça aussi notre responsabilité. Et la question de fond, c'est qu'on doit poser à tout le monde et à tous les Sénégalais à qui va leur allégeance. Notre allégeance doit aller en priorité aux Sénégalais en priorité à nos convictions religieuses, en priorité à notre comment vouloir vivre ensemble à la société que nous voulons. Il ne saurait y être ici d'allégeance vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de qui que ce soit qui n'est pas conforme avec nos convictions. Nous avons depuis les indépendances, et même si on regarde plus loin, depuis les lobes de l'esclavage, été sous perfusion. Perfusion d'idées, perfusion de foi, perfusion de convictions, perfusion de choix de vie, perfusion de liberté, perfusion de manière d'être, perfusion de croyances. Trop, c'est trop. Il est temps que nous arrivions à nous consolider et à vivre par nous-mêmes, par nos, par nos propres convictions et à inventer la société que nous voulons pour nos enfants. C'est le minimum de liberté que nous réclamons vis-à-vis -à, tous les bien-pensants de tout le monde. il faut que les gens soient convaincus que même dans les pays occidentaux, il existe encore beaucoup de citoyens qui ne partagent pas cette vision unilatérale d'un monde qui est aux antipodes de nos valeurs. Nous ne sommes pas les seuls. Et il faut qu'on ait le courage de lever la voix, de dire aux gens que nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes C'est aussi simple que cela et rien d'autre.